L'actualité est dominée par une situation sociopolitique plus ou moins tendue avec une série d'interpellations des acteurs de la société civile et de l'opposition politique. Hier, à la suite de la marche interdite de la société civile par les autorités de la ville de Niamey, c'est l'un des organisateurs de la marche, Ali Idrissa, qui a été interpellé par la police judiciaire pour incitation à la révolte pendant quelques heures avant d'être relaxé. Il doit repasser à la PJ demain pour affaire le concernant. Un autre acteur de la société civile, Abdraman Insar, membre du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme est lui en prison depuis le 14 mai dernier. Il a été arrêté à Agadez par des éléments de la police nationale. Il lui est reproché d'avoir incité à la révolte dans l'une de ses publications sur Facebook. Le président du Front pour la restauration, la démocratie et la défense de la République, également en prison à la maison d'arrêt de on lui reproche un appel à la violence et incitation à la sédition. Selon le porte-parole de l'opposition, Ahmad Jibo Max sera jugé en flagrant délit le mardi prochain. La L'actualité, c'est aussi la situation de l'école avec ce comité élargi comprenant le Premier ministre, l'intersyndicat des travailleurs du Niger et plusieurs autres partenaires de l'éducation qui a rencontré jeudi soir les leaders syndicaux pour tenter de désamorcer la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Mais les discussions tournent court. Pour quelles raisons le ministre porte-parole du gouvernement, Asman Malam Issa, explique. Nous avions proposé de recruter les 346 enseignants contractuels du ministère en charge de l'éducation de l'enseignement primaire en août 2017. Nous avions proposé que la mise en solde des 1440 enseignants du secondaire puisse intervenir en 2018, ainsi que l'attribution des matricules et la mise en solde des autres 4400 enseignants qui ne sont pas encore recrutés. Côté syndicat, on parle plutôt de fuite en avant du gouvernement. Selon le secrétaire général du SINASEB, le retour à la sérénité au sein du système éducatif nigérien passe nécessairement par l'application intégrale et le respect des termes du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mai dernier. Moukel Halidou. Nous avons des camarades qui ont été sélectionnés. Depuis 2012-2013, un reliquat de 346 au niveau de base. Au niveau du secondaire, nous avons 1440 enseignants qui, eux, ont même les numéros matricules, mais qui n'ont pas de salaire. Le nouveau président français en tournée dans le Sahel, Emmanuel Macron, était vendredi au Mali. Il est parti s'imprégner des réalités que vivent les militaires de la force Barkhane sur le terrain. Voici ce que dit Emmanuel Macron au sujet de l'opération Barkhane au micro de Fatoumata Togola, journaliste au Studio Tamani un projet de la Fondation Hirondelle au Mali. Je veux ici être très clair à l'égard de toutes les rumeurs ou les bruits qu'il y a pu avoir sur ce sujet. La France et la MINUSMA travaillent dans ce sens avec un engagement complet de nos forces depuis le début. Plus largement, pour le Mali, la France continuera l'engagement militaire qui est le sien. La première attente et la première réponse que nous devons apporter à la situation du Mali, c'est précisément la sécurisation du territoire malien. Enfin, la migration continue de faire des vagues dans la région d'Agadez. La semaine dernière, un groupe de 17 migrants, tous des Nigériens, marchant à pied en direction de l'Algérie, a été intercepté par une patrouille des forces de défense et de sécurité du département d'Arlit dans la zone de Assamaka, village situé à 15 km de la frontière algérienne. Par ailleurs, 60 autres personnes abandonnées la semaine dernière par des passeurs à 150 km au nord d'Assamaka en provenance de Baraden, n'ont toujours pas été localisé.